Maître Elhaj Malik vous venait d'accomplir votre devoir civique ici même au centre de la Yatel. Quelles sont vos premières impressions après avoir accompli ce Je félicite euh, tous les citoyens sénégalais. Je remercie tous les citoyens qui soient d'être sortis en masse pour voter à l'occasion de ces élections locales. Je félicite aussi l'administration territoriale parce qu'on les oublie souvent. Mais cette année, les élections sont très bien organisées. Je félicite également l'ensemble de nos militants et sympathisants qui sont sortis en masse pour voter pour nous. Je félicite également l'ensemble de nos mandataires et délégués. Je constate également que le scrutin se déroule dans un calme très, très, très, très, bon. Euh, nous souhaitons que le calme et la sérénité règnent tout au fil de la journée. On se félicite également du déroulement de la campagne électorale, à part quelques reliefs elle s'est globalement bien passée dans la ville de Thiès. Nous donnons aussi nos félicitations à l'ensemble des responsables et à la presque totalité des discussions de qui très souvent de manière très élégante. Ce soir, c'est le maire qui sera choisi. Quel que soit le choix de ce soir, nous respecterons le choix de ce soir. Nous espérons également être les vainqueurs. Nous espérons également être le maire de la ville et gagner l'ensemble des de d'arrondissement parce que nous avons travaillé depuis deux ans et demi pour arriver à ce jour fatidique. Nous espérons également que le dépouillement va se passer dans les règles de l'art. Nous prévoyons un scrutin très disputé, donc nous serons vigilants jusqu'à la dernière minute parce qu'il y a beaucoup de candidats et les gens sont extrêmement Tu vois Tu vois vraiment parce que je remercier la félicité sénégalais pour remercier l'administration territoriale Nous avons fait des vraiment un aussi organisation vraiment signalé presque benn manquement fii ci ville de Thiès donc ñoo ngi doon ci remercier administration territoriale bi di remercier aussi Thiessois yi gën voté en masse di remercier sunu militants yi ak suma sympathisants yi nga xam ne depuis ci fajar ba léegi ñoo ngi jóg di wax sensibiliser nit ñi pour voté. di remercier aussi candidat yëpp ndax vraiment élection yi am na ci jàmm ak salaam fii ci biir Thiès ñëpp def nañ ko ci jàmm amul presque à part deux ou trois petits problèmes ci vraiment lu jaral ko même ci njalbeen ba amoon na tuuti jafe-jafe mais presque de manière générale ñëpp vraiment def nañ campagne bu rafet ma wax ni nag tey ci ngoon wala tey jii sax en ce moment Thiès waa yi choisir kan mooy doon maire yaakaar nañu ñu dinañ gañe maire yëpp ndax dafay ñaari at ak genn wàll ñoom ci terrain bi di liggéey yéen xam ngeen ci dara mais quel que soit résultat bi dinañ féliciter vainqueur bi waaye nag dinañ rester vigilant ndax scrutin bi dafa bëri ay candidat scrutin bu jafe la bu metti la te yaakaar nañ ñu aussi il faut ñu teey xool déploiement yi lépp jaar dans les règles de l'art loolu daal laay remercier nit ñi ñu félicité waat tous les citoyens sénégalais dëkk bu mag la Thiès dëkk bu mag la Sénégal dëkk bu mag la di ñaan aussi ñi gën a woote ñu génn mën a woote balaa 18 heures comme ça ñu toog xaar résultat yi incha te yaakaar nañu ñun suñu coalition incha allah mooy gën a